Euh, je pense que le mouvement euh, Rufusquois Tanguy Boubès a lancé euh, un appel, un Rufusquois un masque, que voici sur le t-shirt. Et le ministre a été sensible à cet appel-là et a répondu en, offrant au mouvement 10 000 masques, je pense d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Voilà, donc je pense qu'on a été un peu euh, comme on dit, visionnaire, hein, parce que depuis euh, trois semaines, euh, on se dit qu'il faut porter les masques et que finalement, c'est quelque chose qui se transmet par la respiration, par des gouttelettes respiratoires. Je pense que la meilleure arme pour l'instant, c'est de porter un masque pour se prémunir et en même temps pour protéger les siens. Donc le ministre l'a compris très tôt et euh, a pris les dispositions euh, idoines pour qu'on puisse euh, lancer l'économie locale qui était en fort ralentissement. Les tailleurs aussi souffraient de cette situation-là. Et nous avons, d'une pierre deux coups, voulu en même temps faire travailler l'artisanat local. C'est un geste que le mouvement Tengue qui est un mois de jeunes rufisquois, salue ce geste euh, citoyen du ministre d'État Ismail Major Un geste citoyen, mais également sanitaire, social et aussi économique. Donc c'est un geste qu'on salue à sa juste valeur, parce que tout simplement, il vient à son heure. Donc c'est un citoyen qui a répondu à un appel citoyen, donc d'où le volet citoyen. Social parce que tout simplement, nous sommes dans un cas de crise sociale. Donc, euh, solidaire, pourquoi Parce qu'aussi, il y a certains de solidarité auxquels il a répondu. Euh, ces masques qui sont commandés au niveau des tailleurs, donc euh, va permettre de revigorer un peu l'activité économique de ces tailleurs, qui, comme vous le savez, également ont connu une crise économique. Parce qu'aujourd'hui, quand puisse dire, la pandémie a frappé beaucoup de secteurs, parmi lesquels les secteurs informels. Vous savez qu'en temps normal, les artisans n'ont d'activité que pour les cérémonies. Aujourd'hui, on a vu que les répercussions de la pandémie ont entraîné des mesures restrictives qui ont entraîné des interdictions, comme les rassemblements. Et quand il y a interdiction de rassemblement, il est presque quasi impossible de faire certaines cérémonies dans les normes. Donc cela constitue un frein à l'économie, cela constitue un frein à l'activité artisanale. Donc d'où l'importance et la pertinence de ces gestes que nous saluons à sa juste valeur. Parce que ces masques vont constituer pour les populations un cordon de protection du point de vue de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté, du point de vue sanitaire, une montée ou bien une propagation inquiétante euh, de la pandémie, surtout en ce qui concerne les cas communautaires. Dans ma talk, avant-hier, son chef de cabinet, ne ma dañ qu'il nga ñëw pour ñu jox la ay masques comme bon da ngay def social sa pour nga mën ko distribuer fof, ndax dañu le maximum de masques bon xaw na maa surprendre sax ndax xam nga fii kuñ fi jox dara rek danga koy def affaire politique da nga koy féetale sa wet moo tax daal ñu ngi koy rafetlu di ko remercier le ministre Ismaïla Madior Fall di ko ñaanal daal lim ci jublu daal moo ko xam yàlla na ko yàlla def ñuy ñaan tamit Sénégal euh, Rufisquois yi ñu bàyyi xel bu baax ci prévention bi comme niñ ko waxee ci Covid 19 bi te xam ne du yëfu caaxaan daal.